mooy comme li Bruno D'Erneville wax nee na ki dugal que le candidat doit exclusivement de nationalité sénégalaise mu ñuy tooñ. Ah, Ablaye Wade la ci li ma jàpp. waaw léegi moo moo moo moo dal mooy waaja bokk wala bokk moom si lañu visé kari xam nga àdduna fi mais suba. Mhm. Bruno D'Erneville dafa ne man jël leen sama exemple. Mhm. man franco sénégalais la man samay maam ay français la mhm. mais man dama j'ai décidé de vivre au Sénégal mhm. samay wa sama waajur bu jigéen Annette Mbaye Derneville ñépp xam nañ jàmbaarteem ak bëgg réew mi tout à fait waaw léegi Annette Mbaye Derneville waroon na bëgg tey ji yore réew mi ñu ne ko ah yow munoo bokk parce que da am ñaari nationalité mhm. mais li njombe la est-ce que duñ ko gaaw génne ko waaye nag ci kaw bi ñu waxee ne bi ñu waxee ne doo am ñaari nationalité aussi hmm. may nañ bunt ya. mooy dañ ne boo ko amee fexee la tàggoog benn bi boo tàggooy danañ ko nangu xam nga bu doon sax dañ ne soo ko xasee am c'est définitif là ça aurait posé problème mais comme porte nañ ko à la connaissance te droit xamul xamuma droit xamul xamuma la ñu Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul doon jàngal ne téere yi leen tax wàcc ëllëg xamuma woon ak fooguma ko woon la ñuy bañ donc da nga war a xam ndax lay maye xam teg nañ ko ci table ji. Hmm. maintenant bu ñu ne nag se définitif Doudou Coulibaly à double à une double nationalité ku ko am c'est définitif mënatoo falu ci sa réew saa waree causé problème mais dañ ne non seulement boo ko amee doo falu waaye may nañ la bunt nga tànn bu Sénégal bi bu la gënalee xayrun nga ñëw nga jongante. bu fekkee nag buggo bu la neexee bu Sénégal bi sax yow nga denc te dese beneen waaye boo ko defee sa choix la moom jongante doo bokk. mais loolu xam nga bi mu duggee yàggul. waaw desu la fal te doo fale. xam nga loolu mu duggee yàggul. Mhm. man mooy chaque jour li may wax rek. les lois doivent être impersonnelles. mais tout à fait. dans 60 ans 70 ans dans un siècle. oui ñu am un doomu Sénégal de valeur boo xam ne il a une double nationalité il renonce à une nationalité. Voilà, il non dañ ko koy xagn. non. non mu renoncer une ko ko ne renoncer rek doudou. non mais non. na renoncer man pour moi, ça ne pose aucun problème. je suis d'accord xam nga le fait que ça cause pas xam nga la moy danger bi. imagine que tu as euh, tu on un président bo xamantene, il a une nationalité malgache et une nationalité sénégalaise. Hmm. ñu dem aux Nations Unies ñu xey conflit am entre euh, Madagascar et le Sénégal. qu'est-ce hmm. qui va se passer. Hmm c'est ça loolu lañuy ñuy éviter. Hmm. alors que nak ya de grandes nations yo xamantene xeyna ñom préparé wu nañ rab nañu rab bo xamantene ne yooyu mënu fa xew mënu ñu am genre problème yooyu. Hmm. nga xamantene ay état ak des micro états. li ko si nit la ron viser. non absolument mais aussi nañ jël encore mais kon dindi wat ko tamit. day nek yoon. wa mais xam nga lan moy danger bi xam nga nit amna nit nit mën nañ am ñaari nationalité ba ñett. Hmm. ça arrive. mais on peut pas avoir à la tête d'un pays un Sénégalais, Ivoirien et Burkinabé. En hmm. même temps, ce n'est pas possible. Hmm. Parce que l'intégrité, c'est parce que Niki Dafaoranek uniquement un Ivoirien pour gérer la destinée des Ivoiriens. au moment de l'investiture. texte, texte, Tout à fait. Au moment de l'investiture, tu dois renoncer à une autre nationalité. Les, droits individuels. Mais la, l'eau bëgg nek Mais est-ce que l'ol buñ ko duggalon? Du au moment de l'investiture, oui. si la personne a une double ou triple nationalité, qu'il renonce à toutes ses... la renonciation maître Tin hmm. vous imaginez Doudou un président de la République sénégalaise qui demande à la République française je ne veux plus être français. Hmm lolu c'est c'est mais moche. parce que xam nga xam nga xam nga euh, c'est moche. xam nga suñu actuellement ñoo am double nationalité. j'en arrive. ah, ah. c'est tout à fait normal. combien de Guinéens sont naturalisés sénégalais. combien de Maliens. combien de Mauritaniens. nga avons un événement naar yee ñu daw combien de sénégalais sont naturalisés Mauritaniens C'est vers l'inverse ça ne pose pas de problème mais quand il s'agit d'un état maintenant quand il s'agit d'un état mais on, se pose la question si c'est permis si c'est permis au palais ça ne ça dérange pas mais ça devait être permis au niveau de nos généraux tu serais d'accord qu'on ait un généraux qui est ivoirien et sénégalais le Sénégal un conflit la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il va faire Mon mu est ivoirien, ivoirienne sénégalais s'il se penche vers la Côte d'Ivoire s'il trahit le Sénégal par fibre maternelle qu'est-ce qui va se passer parce que nous, nous nous il Hein? je suis d'accord mais dans ce sens là on aurait dit qu'un un sénégalais a trahi ses pères sénégalais nous traduire en justice mais dans quand tu gères une nation il est préférable nga nekk de nationalité de cette nation Moi, équilibre danger bi foofu la ne suñ permettre président rek nañ permettre chez nos généraux par contre mais ça ne cause aucun problème du domaine de la science que le directeur de, l'hôpital principal soit un Marocain. Il n'y a pas de souci, il soigne. faut Fofu beaucoup. Tu vois la médecine, faut vous savoir gëna wayef. Ça ne pose pas de problème tay ñu am ay un chinois mu jangal sénégalais nous ñuy ça ne cause pas de problème mais quand il s'agit d'intégrité nationale euh, euh, quand il s'agit du drapeau on nañ fi ministre hein? à l'époque avec Senghor mais bon, c'était ñi ah, même Jean Collin mo mujjé le français le plus sénégalisé il n'y a pas de souci hum mais tay bari na fi sax ay kilifa yu fi ne yu am cette double nationalité yoo xamante ne droit du sol sax mo len ko mo len ko may à l'époque bi ñuy en France jangi ñew exactement mais nak bo waré fallu mom il est préférable même buñ ko waxul. mom lañuy ñuy sax. man de Cheikh Abdoulaye buma amone double nationalité di laaj ci réew mi may xam je ne peux pas être un citoyen en même temps de deux nations man ma koy xamal sama bop parce que tànk mënta xa mënta tànk mënta jaar càmmoñ tank jaar jor ba paré yone di am mënul ne et cette liberté tay tay mo xala dara tay buñ ñé tay euh, taille un français il faut protéger les français fait que le président de la république a un atout français a un atout sénégalais qu'est-ce qui va se passer